forum du studio le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou le forum du studio Kalamgou 18h passé de 16 minutes à Niamey, les programmes du studio Kalangou se poursuivent. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du forum du studio Kalangou les émissions du studio Kalangou que vous recevez grâce à une vingtaine de radios partenaires disséminées un peu partout à travers les huit régions du Niger. Ce soir, nous abordons ce forum d'abord avec le Maroc qui a manifesté sa volonté de revenir au sein de l'Union africaine lors de son 27e sommet. Ensuite, vous entendrez l'analyse de PhD Mamoudou Jubo relativement à la question du Nord Mali. Nous, parlerons également de la ville d'Arlit à travers le lancement d'une opération dénommée Plan Compteur. Nous, et, nous refermons ce forum avec euh, le bras de fer qui oppose commerçants, transitaires, travailleurs des magasins sous au groupe Bolloré Africa Logistique. Le Maroc alors du 27e sommet de l'Union africaine qui s'est achevé dimanche dernier à Kigali au Rwanda manifestait sa volonté de revenir au sein de cette organisation. Le Maroc a quitté l'organisation panafricaine sous le règne du roi Hassan II en 1994. Pour l'ancien diplomate nigérien Issou Bachara, l'idée du Maroc de réintégrer l'Union africaine est à saluer. Il est au micro de Asumana Ashina. Je pense que le fils de Hassan II donc l'acteur Roi a senti vraiment la nécessité de revenir en Afrique parce que l'Union africaine ou l'organisation africaine a été créée principalement pour aider les pays africains colonisés à se libérer. Donc c'est dans ce cadre que l'Espagne qui occupait lieu de Oro, donc une partie avant donc on peut dire du Maroc, l'ancien Maroc, une partie de l'Afrique, a été combattue par presque tous les pays africains pour quitter lieu de Oro. Le Maroc a combattu, la l'Algérie et d'autres pays africains ont contribué dans cette lutte. Donc en 1975, l'Espagne a quitté le de Oro et le Maroc a voulu automatiquement s'emparer du l'euro de Alors que l'Organisation africaine a arrêté un principe très important qui est l'intangibilité des frontières héritées du colon. Le de Oro qui était un État, devait être gardé dans son identité normale. Mais le Maroc a voulu s'emparer alors que cette partie d'Afrique était habitée par un peuple. Et c'est ce peuple qui dit non, nous sommes des lieux de Oro et nous voulons rester là. On ne peut pas prendre la nationalité de notre pays. Et c'est comme ça qu'ils ont refusé d'aller avec le Maroc. Et il y a eu donc une guerre où la Mauritanie et l'Algérie ont beaucoup contribué en faveur du peuple du lieu de Oro. Donc euh, la guerre était devenue une guerre entre le Maroc et la Mauritanie principalement, ou les deux encore contre l'Algérie, ou les deux contre le peuple de Et à un moment donné, la Mauritanie, qui ne voyait pas vraiment un gain particulier, s'est retirée de ce combat et le Maroc est resté. Donc aujourd'hui, pour le Maroc, le d'eau, c'était seulement une partie du Maroc. Et le Polisario s'est créé et l'Organisation africaine, dans son principe d'aider les pays africains colonisés à se libérer, a reconnu le Polisario dans sa lutte et cela a fâché Hassan II qui a quitté l'Organisation africaine. Alors s'il quitte l'Organisation africaine, il faut quand même un cadre de lutte. Donc il y avait euh, le Maghreb, leur petite euh, union maghrébienne, et il s'est tourné un peu vers les pays euh, arabes, qui n'ont pas une bonne politique bien précise même s'il y en a, c'est une politique pétrolière, une politique euh, très très partagée, très divisée, alors qu'en Afrique, même si la politique est faible, il y a quand même une politique africaine. Donc le Maroc ne participait plus à la politique africaine. Et aujourd'hui, le fils qui veut redresser les choses à la normale, il porte le nom de Mohamed, donc l'autre Mohamed V euh, qui est un grand révolutionnaire, et donc lui Mohamed VI. Donc a senti la nécessité de revenir et de mener la politique africaine. Je pense que c'est une très très bonne idée. Le grand problème maintenant, c'est de dire s'il veut rester hérité de son père, il faut que le Polisario soit exclu. Et l'Union africaine qui a hérité de l'organisation africaine ne peut pas maintenant aller contre son pression. Donc l'organisation africaine a reconnu le Polisario, l'unité africaine doit continuer à contre le Polisario. Et alors on part aujourd'hui parce que le Maroc doit rentrer et rejeter le Polisario, alors qu'il n'y avait pas de raison de le contre Polisario. Ce qui fait que le Maroc a une situation très difficile. D'après en tout cas les analyses qu'on fait, vraiment Mohamed VI peut parfaitement accepter de cohabiter avec le Polisario au niveau du continent Il peut accepter. Mais, par principe, et à cause de la présence de certains conseillers de Hassan II qui sont encore là, s'il le fait, c'est comme s'il aura trahi l'idée de son père. Maintenant, la question, c'est le Polisario ça le coup, ne sera pas reconnu. D'après la presse, en tout cas j'ai entendu que sur les 53 pays ou 54 pays de l'Union africaine, il n'y a que 13 qui soutiennent le Polisario, comme s'il y a une question de majorité ou de minorité, alors que c'est une question de principe. Alors je vois mal aujourd'hui l'unité africaine exclure le Polisario ou venir dire que le Polisario serait observateur ou le Polisario aurait un statut particulier parce que le Maroc est revenu. Moi, je ne vois pas ce que le Maroc va apporter à l'Afrique, ce qu'il n'a pas apporté avant et ce que l'Afrique n'en a pas aujourd'hui. Donc, euh, par principe, le Polisario doit être maintenu et le Maroc doit accepter de cohabiter avec euh, le Polisario au sein de l'Union africaine. C'est vraiment ce qui doit se faire, mais ce ne serait pas facile pour Mohamed VI. Donc euh, aujourd'hui, je crois que ça fait bien que le Maroc ait exprimé le désir de revenir. C'est bien de poser déjà la question, de poser le principe. Maintenant aux Africains euh, de trouver la formule, mais cette formule ne doit pas amener l'organisation africaine à rejeter le Polisario. Le Polisario cherche à ce qu'il y ait un référendum pour savoir si le peuple Polisario accepte d'aller avec le Maroc au d'être indépendant. Le principe est accepté au niveau des Nations Unies, mais le Maroc refuse l'application. C'est ça le dilemme aujourd'hui. Un référendum. Et en principe, le Maroc ne devait pas refuser ce référendum. Le peuple doit s'exprimer. Mais avec la marche verte que Hassan avait organisée, les Marocains sont venus en grand nombre occuper le Présario et ils sont installés. Et n'oublions pas qu'entre l'Algérie et le Maroc, ça ne va pas à cause du problème du Polisario. Il y a un grand mur, un mur de la honte entre l'Algérie et le Maroc, construit par le Maroc pour étouffer le d'alliance. On ne parle pas de ce mur. Quand on prend le cas du Niger, en quoi le Niger va profiter du Maroc J'ai dit, mais je ne vois pas ce que le Maroc va apporter à l'Afrique qu'il n'a pas eu à apporter avant son départ de, l'organisation africaine. Pour dire que, que le Maroc soit là ou pas, vraiment, ça ne changera pas grand-chose pour l'Afrique. Il y a des pays qui ont besoin beaucoup du Maroc, c'est ceux qui ont une frontière avec lui, et le Sénégal en particulier. Il y a une coopération très dynamique, très forte entre le Sénégal et le Maroc, qui sont des voisins. Mais par rapport au Niger, nous savons que vraiment les rapports sont très bons on n'a pas de frontières. Et aussi, c'est un des seuls pays où nous vont partir sans visa. C'est quand même important. Ils sont, le Maroc est, très heureux. Malgré l'orgueil de Hassan II, que Dieu est son nom au paradis, malgré son orgueil, bon, ils ont quand même eu à coopérer avec le Niger et, sur, dans plusieurs domaines, sur le domaine culturel. Et beaucoup d'étudiants qui ont étudié au Maroc, qui ont bénéficié de la coopération euh, marocaine. Donc, sur le plan culturel, le Maroc aide beaucoup le Niger. Et la secte euh, euh vraiment, a sa, sa base au Maroc. Donc, sur le plan religieux, le Maroc Maroc est encore utile pour l'appellation du Niger. Donc vous avez cité quelques domaines euh, de coopération entre le Niger euh, et le Maroc. Euh, on ne s'attend pas donc à un renforcement de cette coopération avec ce retour de l'Union africaine Je ne pense pas. Je ne pense pas que le fait que le Maroc revienne au niveau de l'organisation africaine, de l'unité africaine, ou l'Union africaine, je pense que cela va apporter un plus au Niger. Ça n'apportera aucun plus au Niger. Et la coopération entre le Niger et le Maroc n'a jamais changé. C'est toujours vraiment la même atmosphère. On est en très bon terme. Il y a l'ambassade du Maroc au Niger et vice-versa. Donc ça marche. Je vous remercie. C'était là l'ancien diplomate nigérien Issou Bachar relativement à la volonté, relativement à la volonté du Maroc de réintégrer l'Union africaine. La suite de ce forum sur euh, Studio Kalangou avec la signature dimanche dernier d'un accord d'entente euh, dit déclaration de Niamey entre les deux groupes qui se disputent le contrôle de la ville de Kidal au nord Mali. La coordination des mouvements de l'Azawad, SEMA et la plateforme du 14 juin malien. Le dialogue a été conduit sous l'égide du Premier ministre nigérien Brigitte Rafini. Les autorités maliennes n'étaient pas représentées. Selon le professeur Jibo Mamoudou, enseignant-chercheur à l'université de Niamey, l'accord est à saluer parce que les deux protagonistes semblent avoir décidé de faire la paix, mais cela ne suffit pas, estime le professeur Mahmoud Jibo au micro de Adama Dawaki. Ben, je crois que la première chose est qu'il faut se féliciter, euh, que ces protagonistes euh, de la situation confuse au Mali euh, puissent se retrouver et s'accorder, accorder leur violon. Mais il faut surtout féliciter le gouvernement nigérien d'avoir pu susciter la confiance en notre Premier ministre pour servir de médiateur. Le Premier ministre et toute son équipe ont réussi. La diplomatie nigérienne, elle a réussi à amener des gens qui se tapent dessus et à leur arracher un compromis. Mais un compromis des armes, c'est toujours un compromis boiteux. Parce que euh, il suffit euh, d'un petit coup de colère, il suffit d'un petit incident pour que les gens appuient sur la gâchette. Et je pense que l'État du Niger ne devait pas, et je le dis tout haut, ne devait pas engager des négociations en dehors de l'État malien, même si par ailleurs l'État malien a donné un feu vert. Mais euh, cet accord semble aussi créer une situation de fait. Pourquoi parce que tout simplement, euh, Kidal est au Mali, que des groupes armés s'entendent pour gérer Kidal en dehors euh, de l'État malien pose un problème. Et si ce protocole d'accord peut s'inscrire dans un cadre global de règlement de la question au Mali, pour que le Mali retrouve son unité, ce serait une bonne chose. À vous entendre parler, ce, cet accord a des conséquences Forcément, parce que c'est des gens qui s'entendent en dehors de l'État malien. L'idéal aurait été que l'État malien reprenne le contrôle de toute la zone, de tout le pays, que le Niger et les autres pays forcent l'État malien à considérer les autres populations comme étant des populations maliennes à 100% avec tous les droits Êtes-vous optimiste par rapport au respect de cet accord entre le décan Moi, je suis toujours optimiste. Je crois quand même que euh, quelqu'un euh, qui a accepté de signer, d'apposer sa signature sur un accord, est au moins moralement tenu de le respecter. Mais comme nous l'avons constaté, tous ces accords, apparemment, les gens les signent juste pour satisfaire des besoins du moment, d'un moment précis. C'est des accords circonstanciels. Et après, ça se réveille. Et dès que on a fini d'épuiser ses ressources, on reprend. Parce que finalement, la rébellion est devenue une forme d'enrichissement, une forme d'entreprise économique qui malheureusement coûte des vies. Euh, de toute façon, de mon point de vue, euh, euh, cet accord peut ramener momentanément la paix à Kidal. Mais deux capitaines armés sur le même bateau, le clash est vite arrivé. Et c'est ça mon inquiétude. C'est, mon inquiétude, c'est que il faut être optimiste, mais pas de manière exagérée, il faut être prudent. Il faut considérer que c'est ces gens qui ont pris les armes, qui maintiennent encore leur armement, ces gens qui ont accepté de se partager le contrôle de Kidal et de sa zone, il faut espérer que ces gens sont sincères et qu'ils accepteront finalement de déposer les armes. Tant que les armes n'auront pas été déposées, tant qu'on ne retourne pas à l'État malien le monopole de la violence légale, il y a un problème, il y aura un problème. Mon souhait est que tous les signataires soient sincères et que ceux qui n'ont pas encore signé rejoignent le camp de la paix. Mon souhait est que tous ces signataires s'entendent avec l'État malien, que les vrais problèmes soit posée parce qu'il y a de vrais problèmes. Le vrai problème, c'est la prise en compte des réalités du nord du Mali. C'était là le professeur Bamoudou Jibo qui s'exprimait relativement à la crise du Nord en Mali. Autre aspect de ce forum euh, du studio Kalangou au Niger, dans la région d'Agadez, la ville d'Arlit abrite depuis une quarantaine d'années deux entreprises extractives de minerais d'uranium, la Somaïr et la Kominaka. Entre 2005 euh, et 2009, l'ONG Agriman, en collaboration avec euh, Crusade et Greenpeace, ont effectué un contrôle radiologique. Suite à cette entreprise, le rapport établi à cet effet a conduit les filiales du groupe nucléaire Areva à signer un accord entre l'ONG Agrimen, la direction des mines et le Centre national des radioprotections pour, qu'une opération du plan Conter soit effectuée. À quoi consiste l'opération plan Conter Gunguma Mandantani a joint au téléphone ce matin Ramara Alafoutet, secrétaire général de l'ONG Agrimen, en l'écoutant. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Maman. Une action est en train d'être faite sur le plan compteur dans la ville d'Arlit. D'abord, expliquez-nous ce que c'est que le plan compteur et qu'est-ce qui a amené jusqu'à faire cette opération dans la ville d'Arlit. Dans les années où les sociétés minières ont été créées, donc il n'y avait pas de contrôle euh, radiologique, c'est-à-dire de radioactivité. Maintenant, depuis la création de notre ONG Agriman, donc nous sommes rentrés dans ce sujet de la radioactivité à Arlit en collaboration avec un certain nombre d'ONG telles que la CRIRAD et Greenpeace, nous avons découvert qu'à Arlit, il y a des endroits dans la ville d'Arlit qui sont radiologiquement contaminés, c'est-à-dire où il y a de la radioactivité, Ça, c'est entre 2005 et 2009. Donc, euh, les rapports que nous avons établis ont amené donc les, le groupe, les filiales du groupe Areva à signer un accord entre la direction des mines ici, nous autres de l'ONG Agriman et le Centre national de radioprotection pour qu'une opération de plan compteur soit effectuée dans toute la commune d'Arlit. Cette opération consiste à chercher partout où il y a de la radioactivité et de l'enlever, que ce soit dans les rues d'Arlit, que ce soit dans les maisons d'Arlit. C'est ainsi que cet accord a été signé en 2011. Donc l'opération plan compteur est née en 2011 suite au contrôle de l'ONG Agriman, de Greenpeace et de CRIRAC. Donc cette opération plan compteur est menée conjointement avec la direction des mines d'Arlit, l'ONG Agriman et les sociétés minières filiales d'Areva, c'est-à-dire Somaïr et Cominac. Ce sont des mesures de radioactivité qui concernent toutes les rues d'Arlit et toutes les maisons d'Arlit. Dans un premier temps, donc, on a fait toutes les rues et le réel d'Arlit. Cela a duré à peu près trois ans. Après ces trois ans-là, le bilan que nous avons fait, nous avons découvert qu'il y avait dans la ville d'Arlit, il y avait à peu près 104 points radiologiquement contaminés. Sur ces 104 points, il y a 54 à Arlip, 50 à Cominac. Ensuite, il y a eu une opération où il faut euh, décaper toute la radioactivité qu'il y a dans ces rues là Cette opération a été menée, donc toute la radioactivité a été décapée. Ensuite, donc, il y a eu l'opération des maisons. Maintenant, dans l'opération des maisons, là où nous sommes actuellement, ce sont les maisons qui sont contrôlées. Actuellement, parmi les maisons qui sont contrôlées, beaucoup de maisons ont été euh, détruites et, reconstruites suite au fait que nous avons découvert que dans les matériaux avec lesquels les maisons sont construites, il y avait de la radioactivité. Ces maisons ont été reconstruites par qui Ces maisons ont été reconstruites soit par Cominac, soit par Somaïr. Actuellement, il y a des maisons qui sont en cours de reconstruction, de démolition euh, et de reconstruction à Somaïri et à Cominac, dans la commune urbaine d'Arli. Actuellement, nous sommes sur cette question des maisons-là. Donc, il y a à peu près à Somaïri, à, à euh, à peu près trois maisons qui sont en cours de démolition là. Donc, elles existent, ces maisons-là, elles sont en cours de démolition. Une fois qu'elles seront démolies, tous les matériaux vont être rapatriés en zone industrielle et il y aura la reconstruction. Ça, c'est Somaïr qui finance ça. Du côté de Cominac aussi, il y a beaucoup de maisons qu'on a démolies et qui ont été reconstruites. Parallèlement à ça, nous n'avons pas abandonné les contrôles des rues, parce que toujours les gens amènent des matériaux radioactifs. Il y a quelques jours, nous avons découvert des ferrailles et des matériaux contaminés dans les rues d'Arly. Donc cette opération-là continue encore, la surveillance continue. Chaque fois que nous trouvons un matériel qui est contaminé, il est repris et renvoyé en zone industrielle. Voilà donc comment l'opération plan compteur est en cours actuellement. Techniquement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui veut dire le plan compteur Le plan compteur veut dire que quand on vient, par exemple, je vous prends le cas des maisons. On vient dans une maison, on fait des mesures avec des, appareils de radioactivité. On mesure les sols, on mesure les murs, on mesure les plafonds. Si on se rend compte que dans les matériaux, soit sur le sol, soit sur les murs, il y a de la radioactivité, donc on approfondit la, les mesures pour savoir exactement quel est le degré de contamination. Si ce degré de contamination est susceptible d'enfreindre à la santé humaine, donc, il faut entreprendre des opérations de démolissage et de reconstruction de la maison. Bien sûr que les familles des maisons qui vont être démolies, elles sont déménagées et elles sont relogées dans des logements mis en disposition par Somaïr ou Cominac. Voilà donc euh, l'essentiel de ce que je peux dire par rapport à ça. Du début de cette opération aujourd'hui, combien de concessions ont été euh, relevées comme euh, atteintes par la radiologie On peut dire que sur le plan de maisons, au niveau d'Armit, on peut compter à peu près une dizaine de maisons qui, sont, qui ont été reconstruites ou qui sont en cours de reconstruction. Une dizaine. Somaïre actuellement. Si vous pouvez nous dire euh, le coût estimatif euh, de cette opération. Moi, je n'ai pas le coût estimatif puisque cette opération est financée essentiellement par les sociétés minières. C'est elles qui la financent. Donc, moi, je n'ai pas le coût. C'est elles qui reconstruisent, c'est elles qui font le ramassage. Donc nous ne savons pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans comme argent. Toujours par rapport à cette opération, comment est-ce que les populations d'Arlit et Akoukan ont perçu euh, l'opération ben, Elles sont très intéressées, les populations, parce que beaucoup de gens viennent nous voir pour qu'on aille faire le contrôle de leur maison. Malheureusement, ce que je peux vous dire, depuis 2011 euh, que cette opération est mise en route, nous n'avons pu contrôler qu'une vingtaine de maisons. Donc vous voyez comment est la lenteur sur les milliers de maisons qu'il y a à Arlit. Mais une vingtaine de maisons, nous avons 120 échantillons que nous devons faire dans un premier temps. À partir de ce 120 là, nous devons décider si nous devons faire toute la ville ou pas toute la ville. Merci, Monsieur Ramar. C'était la Ramara Alatoufet, secrétaire général de l'ONG Agrimen. Selon toujours lui, à ce jour, le bilan de cette opération fait état de 104 points contaminés, dont 54 à Arlit et 50 à, Okokan. Les maisons qui, qui présentent une radioactivité ont été détruites et reconstruites. Le financement de toute l'opération est assuré par la Somaïr et la Cominac. 哥啊 Le bras de fer qui oppose commerçants et transitaires au groupe Bolloré Africa Logistique se poursuit alors même que le groupe multinational démarre en principe ses travaux aujourd'hui à Niamey et Dosso. Selon le secrétaire général du syndicat national des agents de transit Tijani Mamadou, euh, cette décision de rétrocéder les magasins sous douane par le gouvernement au groupe Bolloré aura des conséquences fatales pour l'économie et nigérienne. Tijani Mahamadou, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, le secrétaire général du syndicat national des agents de transit. Euh, pourquoi le Sénat dit non au groupe Bolloré au Niger nous avons boycotté euh, toute activité au niveau de la douane parce que nous estimons que cette entreprise euh, à laquelle on est en train de confier la gestion des magasins sous douane a aussi le même métier que nous. La prérogative que ça va lui donner maintenant de pouvoir nous gérer nous tous, donc euh, il peut faire, euh, par exemple, abstention de nos documents à travers le TIN, la déclaration sommaire qui est établie au niveau euh, du bureau d'entrée au niveau de Torodi par exemple, ou bien au niveau de Gaïa, si vous n'avez pas le t là. Donc vous ne pouvez pas élaborer maintenant la déclaration en détail. Donc euh, voilà la raison pour laquelle nous avons dit non. Et d'un autre côté, il faut aussi se pencher sur euh, les tarifs qui ont été proposés par euh, Niger Terminal, à savoir Bolloré. Donc ce sont des tarifs qui sont hors cadre parce que nous, nous pensons que c'est trop élevé et le consommateur va sentir ça, comme on le dit dans le jargon, on va le sentir au niveau de, du panier de la ménagère parce que... Euh, ça va encore gonfler euh, les prix. Donc vous voulez dire que dans les jours à venir, on peut s'attendre à une augmentation sur les prix des produits de première nécessité au Niger En tout cas, si le gouvernement ne prend pas des mesures pour pouvoir éviter ça, vraiment, euh, c'est quelque chose à laquelle nous pouvons nous attendre parce que d'un autre côté, les commerçants n'attendent que l'occasion, vous aussi, pour pouvoir augmenter quelque chose. Donc euh, même s'il y a 5 francs de plus, cela va avoir une répercussion euh, sur les darés alimentaires. Donc euh, voilà la raison pour laquelle nous avons dit, mis à part les inquiétudes du syndicat national des agents de transit et du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger, toute la cause sociale aussi du Niger est concernée. Ça concerne tous les Nigériens. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons estimé que nous sommes en train de faire un combat noble et nous allons aller aussi dans ce sens-là. Monsieur le SG, est-ce que vous avez cherché à rencontrer le gouvernement en ce qui concerne euh, ce bras de fer entre les agents de transit et le groupe Bouloré Africa Logistique Pour euh, l'instant, nous n'avons pas reçu d'appel d'abord euh, au niveau du gouvernement pour essayer de, faire quoi que ce soit. Mais quand même, nous, nous sommes là pour euh, les attendre. Nous sommes prêts pour euh, les discussions et nous pensons que cette fois-ci, nous allons euh, tous ensemble réfléchir pour prendre une bonne décision et non euh, vouloir traiter les choses à la hâte et pour faire coûte que coûte euh, installer cette multinationale. Le gouvernement nigérien pense que c'est pour rehausser euh, l'assiette fiscale qu'il a rétrocédé les magasins sous-douane au groupe Bolloré Africa Logistics. Que pensez-vous oui, c'est ce qui a été dit, mais ce n'est pas là le problème. C'est que si c'est pour rehausser, moi je peux comprendre à travers euh, la politique euh, de Bolloré, c'est de vouloir vérifier les marchandises, euh, mettre à la disposition des engins capables de décharger et de recharger tout ça là. Mais ce n'est pas là le problème. Là où il faut réfléchir, c'est que Belloré n'importe pas. Il ne va que prendre en charge les marchandises qui sont importées par les mêmes importateurs nigériens et les déclarations qui sont établies par les mêmes déclarants donc euh, ça démontre qu'il ne peut rien faire. Ce qu'il est en train de prétendre même euh, à notre niveau, étant donné que nous sommes des Nigériens, nous savons qu'on ne peut pas manquer quelqu'un qui peut faire en sorte que les recettes douanières puissent s'améliorer. Nous n'avons pas besoin de Bolloré pour le faire parce que nous connaissons comment se fait le travail. Donc c'est pas là le problème, c'est qu'il y a une volonté manifeste coûte que coûte de nous mettre en mauvaise posture parce que les uns et les autres ont estimé que nous ne sommes pas clean ou bien pour quelque chose d'autre. Mais je dis que vraiment ils se trompent sur cette ligne-là parce que nous, nous sommes aussi des citoyens comme les autres et nous avons à ce titre le même droit que les autres Nigériens et que le gouvernement de la 7e République se doit de nous protéger au moins du danger qui est en train de guetter l'ensemble des euh, transitaires et aussi euh, des commerçants. Si le gouvernement refuse de vous rencontrer pour une quelconque négociation dans les jours à venir, quelle est la posture que vous allez prendre Nous n'avons qu'une seule posture, c'est la lutte. Et à travers euh, la lutte, vous pouvez comprendre un arrêt de travail, donc euh, nous n'avons pas passé par, euh, comment on appelle ça, déterminer le moment que cela va prendre nous-mêmes parce que nous ne savons pas exactement euh, quand est-ce qu'ils vont prendre ça en compte. Donc euh, nous avons décidé que lorsqu'ils touchent à nos terrains, nous n'allons pas travailler. C'est comme euh, la fois passée, il faut qu'ils restituent nos terrains pour pouvoir travailler. Donc euh, nous allons voir d'ici là si on va nous appeler. En tout cas, nous, nous sommes là à l'attente du gouvernement et nous pensons que nous allons nous déplacer pour partir les écouter et, trouver une solution finale. Nous, nous ne voulons même pas faire un arrêt de travail d'une journée parce qu'on sait que ce pays en dépend. Mais il y a une force majeure. Et quand il y a question de ventre, vraiment, il n'y a pas à réfléchir. On doit tous embarquer dans le combat. Est-ce que vous avez le soutien des autres euh, acteurs de la société civile nigérienne J'ai suivi beaucoup d'acteurs euh, de la société civile qui ont participé à des débats et qui ont défendu notre position. Mais pour que la société civile lui-même puisse agir, il faut qu'il soit informé, il faut que lui-même comprenne les enjeux qu'il y a dans la lutte que nous, nous sommes en train de mener. Pour cela, nous venons de commencer. Nous sommes en train de sortir pour dire réellement ce qu'il y a. Et nous pensons que si eux-mêmes, de leur côté, ils jugent utile, parce que nous, ce qui nous appartient, c'est de parler. Maintenant, s'ils sont convaincus, c'est à eux de s'élever aussi pour euh, faire la même lutte que nous. Boulouré Africa Logistique commence euh, ses travaux ici au Niger. vous ne pensez pas que vous êtes un peu euh, en retard Non, on n'est pas en retard parce que c'est un bras de fer qui nous oppose avec le gouvernement depuis le 18 mai 2015, suite à laquelle le gouvernement a demandé à ce qu'on retourne maintenant pour travailler avec le statu quo, c'est-à-dire on a remis les terrains au niveau de l'ancien prestataire, le gestionnaire des magasins sous douane. donc après, nous sommes partis faire le travail. Après ça, il y a eu des arrêtés qui étaient sortis. Et au moment où les arrêtés étaient sortis, nous, au niveau du syndicat, nous avons fustigé. Et nous avons exigé à ce que, euh, hâtivement, on ne puisse pas octroyer ce que Bolloré est en train d'attendre et nous mettre, nous, de notre côté, en difficulté dans les opérations que nous allons mener par la suite. Donc euh, nous savons que notre position a été déjà donnée, mais euh, à notre grande surprise, nous avons vu le ministre des Finances sortir un arrêté parce que on a dit que tous les problèmes ne sont pas résolus. Ils se sont contentés de résoudre le problème de magasins sous douane en les transférant au niveau de la Chambre de commerce de Niamey euh, de l'intérieur du pays. Mais pour les transitaires et les commerçants, leurs préoccupations n'ont pas été prises en compte. Voilà la raison pour laquelle nous nous revenons sur la scène et nous allons dire non jusqu'à ce que au moins la lumière soit faite sur nos dires et la réalité sur le terrain. Monsieur SG, on vous remercie. Merci à vous demain. C'était la Tijani Mamadou, il est secrétaire général du syndicat national des agents de transit. Je précise que nous avons en vain tenté de joindre la représentation locale du groupe Bolloré. Contrairement aux commerçants et les transitaires, les travailleurs des magasins sous eux, ont, à l'issue des négociations, ont pu obtenir un plan social au niveau de la convention de concession des magasins sous de l'intérieur du pays à la Chambre de commerce. Selon le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des magasins sous douane, Waru Boubakara, malgré ses acquis, le Centramad poursuit sa lutte contre le groupe Bolloré. On l'écoute. Warou Bakar, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes euh, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs du magasin Soudouane. Et depuis quelque temps, il y a une crise qui est ouverte entre le centre Amad et Africa Bolloré Logistique. C'est quoi concrètement le nœud du problème Aujourd'hui, il n'y a pas de crise entre Bolloré et le syndicat national des travailleurs du magasin Soudouane centre Amad. Nous l'avons déjà dit en son temps que nous ne voulons pas de Bolloré de la gestion des magasins Soudouane à Bolloré. Mais comme euh, euh, vous le savez, l'État a concédé la gestion des magasins sous douane de Niamey et de Dosso à Bolloré à travers la convention signée entre lui et euh, Niger Terminal depuis le 28 octobre 2014. Depuis ce temps, nous étions en négociation et Dieu merci, nous avons obtenu donc euh, une convention de concession des magasins soudains de l'intérieur du pays à la Chambre de commerce. Maintenant, Mordicus, comme vous le voyez, l'État a décidé donc de donner la les magasins soudanais les rive droite, sans donc notre aval. En ce qui nous concerne, nous, travers les magasins soudanais, nous disons non et non à Bolloré. Et c'est ainsi que nous nous sommes euh, décidés à aller donc euh, tous, pour la plupart, à la chambre de commerce à travers un plan social qui a été négocié et obtenu, euh, signé par le ministre des Finances. Monsieur le SG, pourquoi vous dites non à Bolloré mm, Nous l'avons dit, ça fait déjà plus d'un an d'ailleurs, non à Bolloré par simple nationalisme. Parce que nous pensons que le service des magasins sous douane est un outil de souveraineté de l'État et doit appartenir à des nationaux. C'est tout ça le problème Oui, entre autres, euh, nous avons également donc euh, la peur du licenciement, comme vous le savez. Donc, euh, Mboloré, c'est une société multinationale qui va certainement demander une certaine expertise que nous n'avons pas. Est-ce que vous avez eu à rencontrer les autorités hiérarchiques, notamment ceux du ministère des Finances, pour le règlement définitif de ce problème Bien sûr. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, le syndicat national des travailleurs de magasins n'a pas de problème en réalité nous, notre problème est pris en compte à travers donc euh, le plan social qui est issu de la convention de concession des magasins sous-douane de l'intérieur du pays à la Chambre de commerce. Aujourd'hui, ce que vous observez comme grève, ce sont les autres partenaires du magasin sous-douane qui ont décidé de fermer, de ne pas travailler parce que simplement l'État a décidé que Bolloré commence à travailler au niveau de la gestion magasin sous-douane mes Rive Droite. Monsieur SG, selon vous, pourquoi l'État euh, donne le magasin sous-douane à Bolloré euh, Malheureusement, je ne peux pas me mettre à la place de l'État pour répondre. Et il appartiendra donc à ces derniers de savoir les raisons pour lesquelles Mordekis il tient à, donner cette gestion-là à Bolloré. Mais ce qui est sûr, c'est que une fois encore, euh, le magasin Soudan constitue donc euh, un véritable poumon économique du Niger. Et c'est en cela que je, lance un appel à l'endroit donc euh, de l'État du Niger pour que le revoie donc sa copie et en discuter sincèrement avec euh, les partenaires sociaux qui sont donc le syndicat des agents de transit, le syndicat des commerçants, le syndicat des transporteurs et le Centramad afin que sincèrement la gestion des magasins sous douane euh, de Niamey euh, revienne donc à des Nigériens. Monsieur le sujet, l'État a rétrocédé les magasins sous douane à Bouloré Certainement, c'est pour améliorer l'assiette fiscale. Que les magasins sous douane soient à Bouloré ou à un autre, quand on dit l'État, l'État à a le dernier mot et l'État a la force pour véritablement asseoir l'assiette fiscale. Donc, euh, je ne pense pas que c'est pour ces raisons que l'État décide de concéder les magasins sous douane. Même aujourd'hui, l'État s'est levé, il peut véritablement asseoir l'assiette fiscale euh, au niveau des magasins sous douane. Monsieur le CG Warouboubakara, quelle est la conséquence de la rétrocession des magasins sous douane à Bolloré Les conséquences sont nombreuses. Je l'ai dit à maintes reprises, ça fait voilà aujourd'hui plus d'un an que je le suis en train de le dire. Première conséquence, d'abord, euh, nous, en ce qui nous concerne le personnel, nous allons nous voir certainement eh, dans les jours ou dans les mois à venir. Après donc les démarrages, nous allons nous retrouver donc euh, sur les carreaux. Eh, je voulais parler du licenciement des, des travailleurs. N'oubliez pas que Bolloré aussi et un transitaire. Il est transporteur. Donc, ça veut dire que si vous prenez toute la chaîne logistique du port jusqu'à la destination, jusqu'à la douane, ça veut dire que Bolloré va s'accaparer d'abord euh, les transiteurs de toutes les marchandises à destination du Niger. Ça veut dire que nos transiteurs se verront aussi sur le carreau. Les transporteurs, étant donné que Bolloré est aussi transporteur, il va vouloir transporter ses marchandises à, travers ses propres moyens de locomotion au finish en disposant donc des magasins sous douane euh, à la destination finale, il peut à volonté créer une surenchère sur les marchandises à dessein. Donc euh, la conséquence en réalité, même la ménagère qui se trouve dans son foyer et le sentira très prochainement. Vous voulez dire que dans les jours à venir, on peut euh, s'attendre à un renchérissement des prix des produits de, consommation ici au Niger C'est possible que ça arrive. Mais déjà, nous, à euh, le prévoir, nous avons dit non à Bolloré. Monsieur le SG, dans le cas où le gouvernement s'entête à, rester mordu sur sa position. Que comptez-vous faire Pour le moment, nous, nous avons fermé ce chapitre. Nous avons fermé ce chapitre. Tout ce qu'il nous reste avec l'État maintenant, c'est la mise en œuvre donc euh, de notre plan social, dans lequel donc euh, une commission est prévue et qui est chargée donc de la mise en œuvre donc des différents cas qui se trouvent dans la convention de concession des magasins soudains à la Chambre de commerce. Est-ce que vous êtes satisfait de, ce plan social que, qui a été mis en œuvre Absolument, nous sommes satisfaits, entièrement satisfaits de, de ce plan social, pourvu encore une fois que la mise en œuvre ne tarde pas. Quels sont les grands points de ce plan social D'abord, euh, il faut comprendre que tous les agents qui ont décidé d'aller à la Chambre de commerce ont été pris en compte ceux qui ont décidé de rester à Niamey pour y travailler, parce que ne pouvons pas être à l'intérieur du pays pour y travailler à Niamey, l'État aussi les a pris en compte. Pour ceux qui ont décidé d'aller en départ négocier pour leur propre compte, l'État aussi en a fait cas. Et pour tous nos agents, nos camarades qui sont mis à disposition dans les différents bureaux de douane et, ou de la direction générale de douane, donc l'État a décidé de les conserver et de leur faire un nouveau statut jusqu'à leur retraite. Quelle est la position de la douane par rapport à tout ça euh, Malheureusement, pas vous dire la position de la douane parce que eh, moi, je ne peux vous donner que la position du centre euh, ce que j'ai fait, mais la position de la douane, ça, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu une synergie d'action entre le Centramade et le sénateur ou entre le centre et, le, syndicat des commerçants du Niger euh, Oui, à un moment donné, nous avons été ensemble et même aujourd'hui, nous luttons ensemble parce que en fait, nous, nous luttons pour la même cause. La seule différence, c'est que bon, le Centramade a obtenu à travers sa lutte la convention de concession des magasins soudains de l'intérieur du pays à la Chambre de commerce. À travers cette convention, et le plan social qui a été signé par le ministre des Finances. Donc euh, voilà ce qui nous démarque pour le moment de, ces deux corporations. Vous n'avez aucun problème actuellement avec euh, Bolloré Nous n'avons pas de problème avec Bolloré. Aucun problème. Seulement nous disons non, nous allons continuer à dire non. Nous, nous rejetons Bolloré. Comme vous le voyez, donc, euh, nous nous démarquons carrément de, de Bolloré. Monsieur le SG, on vous remercie. Je vous remercie infiniment. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Au revoir les programmes de Studio Kalangu à Niamey sur la radio alternative 99.4 FM à Zender sur la radio Choukra FM 105.5 FM à Dosso sur la radio Farah 92 FM à Tawa sur la radio Tambara 107 FM à Arlit sur la radio Ikokan 95.1 FM à Agadez. Sur la radio Nomade FM. 101.9 FM à Tilaberi. Sur la radio Tebonsi. 97.5 FM à Maradi. Sur la radio Garkwa. 107 FM à Filengue. Sur la radio Mouriatalata. 95.1 FM à Difa. Sur la radio Anfani. 100 FM. Studio